dama ne tey bi daje ville de Rufisque la ma profito profité waale di nuyu le ministre Omar Gueye bi nga xamante ni moom le coordonnateur du département. ndaxte ville de Rufisque dafa am lu muy ci histoire politique du Sénégal ville de Rufisque fii moo le centre de prise de décision ville de Rufisque lu ñu doon doxal ci Sénégal fii lañ doon ñëw di ko fi waxtaanee ville de Rufisque moo fournir au gouvernement du Sénégal à l'Assemblée nationale du Sénégal à l'administration du Sénégal de hauts Donc, donc ville de Rufisque dafa nekk que boo xamante vous dafa war a am travail ci wàllu politique. Rufisque y dañu un objectif de 105 000 parrainages au niveau du département commune bu qui ñu war des def parrainage moo tax qu'on li def semaine passée ça a commencé Omar Gueye ñëwoon na lancer le parrainage pour le département Je vous félicite. on lance le parrainage pour la ville de Rufisque parrainage on va le faire de façon sérieuse il ko def de façon communautaire dem ci communes yi moo tax lii La semaine passée a lancé le parrainage au niveau du département tey def nañu lancement du parrainage au niveau de la ville léegi nag li des ville. monsieur le maire Alun Ma. li des nag mooy ñu lancer parrainage au niveau des communes président Macky Sall Goré. Gorée je suis tax candidat à la présidentielle de 2024 Sam Kadom, moo tax candidat à l'élection présidentielle de 2024 bëgg jàmm Sénégal je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 La constitution bi nag permettre na ko ko le président Macky Sall def te politique du Sénégal l'histoire politique de l'Afrique, l'histoire du monde

bi mu tànnee Amadou Ba tegu ko ci xooy de tegu ko ci yaama neex de tegu ko ci sama xarit ga de tegu ko ci sama nit ga de daf ko teg ci ay critères yu leer mooy kan moo ëpp expérience président nag su tànnee Amadou Ba dama ne ku bokk ci parti la APR bokk ci coalition bi waxatuma ne ku bokk ci parti soo ko bëggee delloo njukkal soo ko bëggee delloo njukkal da nga ko naan ndaxte ñun ñoo ko wax ci secrétariat politique bu APR ci coalition Benno Bokk Yaakaar la jox nañ la carte blanche pour nga tànn te koo tànn dinañ ci nangu loolu carte blanche boobu dañ ko ko jox donc su demee ba tànn kay yéen ñi ko jox carte blanche da ngeen di d'accord beneen bi ci des mooy soo nekkee sénégalais nekk cadre waaye ëppoo jàng kenn ëppoo julli kenn gënoo kenn ëppoo xam-xam kenn mu tànn la def la ci gouvernement pendant dix ans tànn la def le premier ministre tànn la jox la ay teraanga mu dem ba tànn ne kii laa bëgg mu jiite seen coalition nga ne man ànduma ci loolu de man dama gëm ne du gore loolu moo tax je lance un appel pressant à nos amis de la coalition Beno Bokiyaka. Il y a un ni candidature dissidence être président de la République c'est une longue préparation être président de la République c'est avoir un appareil politique à l'échelle nationale être président de la République ça ne s'improvise pas être président de la République ça nécessite d'avoir une présence sur l'ensemble du territoire national il ne faut pas candidater pour candidater. Il ne faut pas candidater pour pas de date. Il ne faut pas faire des candidatures de témoignage. Il faut des candidatures significatives. Et une candidature significative, c'est la, la candidature de Amadouba qui est portée par la coalition Beno qui est la coalition dominante du jeu politique sénégalais. Majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire au niveau des collectivités solution boobu candidat bu tànn ngemb la présenté la kooku mooy vrai